forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 15 minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du Forum de la presse du Studio Kalangou. Studio Kalangou que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, pareil dans les localités d'Arlit, de Kirozerine, Menesoroa, Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saïk. Dans le forum de ce vendredi 24 février 2017, nous allons revenir sur l'attaque meurtrière menée contre une position militaire nigérienne à Intirzawan, non loin de Tilwa, localité située dans le département de Walam, région de Tilaberi. Il sera également question dans ce forum du bras de fer entre le syndicat de l'enseignement et le ministère de l'Éducation sur l'évaluation des enseignants des questions et réponses dans ce forum qui est responsable de l'accumulation de sept mois d'arriérés de salaire des agents des collectivités territoriales, le gouvernement ou le maire central de la ville de Niamey. Un bilan du forum Sahel Innov initié par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises dans ce forum. Enfin, nous terminerons, si le, temps nous le permet, avec une page sport, notamment sur la contre-performance des clubs nigériens dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Comme chaque vendredi, nous recevons des confrères de la presse audiovisuelle ou écrite pour discuter des faits ayant dominé l'actualité de la semaine. Ce soir, nous sommes avec euh, Garé Amadou, journaliste au journal L'événement. Bonsoir Garé. Bonsoir. Merci d'être venu. Avec nous également Murtala Mamadou, journaliste au journal La Griffe. Bonsoir Murtala. Bonsoir Alassane. Bonsoir et merci d'être euh, venu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Nous débutons ce forum par l'attaque d'Interzawan, non loin de Tiloa, localité située dans le département de Walam, région de Tilaberi. Une attaque contre une position de militaires nigériens a fait, selon le, le bilan officiel communiqué par le ministère de la Défense 15 morts, l'attaque a été revendiquée par Abu Walid El-Sahraoui, chef de la branche de l'État islamique au Sahel, selon l'agence mauritanienne privée Sahara Media, qui est citée par le journal malien en ligne Journal du Mali. Abu Walid, pour rappel, est sahraoui originaire du Sahara occidental, un émir du Moujao et Al-Mourabitoun qui a créé en juillet 2015 une branche de l'État islamique au Sahel lors d'une scission avec Al-Mourabitoun. Alors, je m'en vais commencer avec euh, vous, Garé. Un commentaire d'abord sur le bilan officiel communiqué par le ministère de la Défense 15 morts. D'abord, une fois de plus, je présente euh, mes condoléances euh, aux familles des forces de défense et de sécurité qui continuent de payer l'autre tribut dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Vraiment, j'ai pitié pour les familles de ces militaires-là. Euh, j'ai pitié pour les forces de défense et de sécurité et je, euh, prie pour le repos des âmes des disparus. Alors, euh, Murtala Mamadou, oui, euh, de la lancée, je crois que euh, c'est tout le pays et tout notre pays qui, encore une fois de plus vient d'être victime de, ces attaques. Euh, qui peut-être que ça, on va revenir dans les discussions qui vont suivre, mais c'est quand même un tribut, un tribut que nous sommes en train de payer malheureusement. de mon point de vue, c'est quand même des morts qui peuvent être évitées. Alors, comment, comment expliquer cet acharnement des terroristes le long de la frontière nigéro-malienne Bien, euh, vous savez, euh, je crois savoir que ces différents groupes sont euh, aujourd'hui dans une position où ils posent des actes, c'est quelque part des coups d'éclat, des coups d'éclat pour revenir au devant de l'actualité, vous voyez. Donc, quand vous êtes dans cette optique, peu importe la portée, peu importe la position de laquelle vous trouvez, vous allez vous attaquer au point le plus vulnérable. Et le, le point vulnérable dans cette zone, malheureusement, se trouvent être euh, nos éléments, parce qu'ils sont nos, nos, forces de défense et de sécurité qui euh, sont en patrouille dans cette zone euh, malheureusement incontrôlée si le Niger fait des efforts de son côté, il ne faut pas oublier que au-delà de cette frontière nigérienne, euh, c'est quand même euh, un désordre qui, règne malheureusement jusque-là. Donc oh, ça fragilise cette zone et ça fait que euh, c'est une une partie malheureusement de notre territoire qui reste toujours à la portée de ces différents groupes qui peuvent poser des actes et se replier dans une zone qui n'est pas encore contrôlée par l'État malien. Alors, regardez, Amadou du journal L'événement, est-ce que, comme l'a dit euh, Murtala Mamadou, est-ce que ces gens euh, ont justement trouvé des failles dans le système de défense euh, et ils en profitent Ce que l'on constate quand même, c'est quelque chose de troublant. C'est-à-dire que ce pas des attaques qui sont menées à Agadez, c'est des attaques qui sont menées par le même individu, Abou Walid al-Sahrawi. celui qui a attaqué la prison, civile de Côte-Calais celui qui a mené une attaque à Bani Bangou, celui qui mène une attaque encore à Walam pratiquement la même zone, le même, la même ordure, excusez-moi le terme, la même ordure, est en train de tuer des Nigériens, et apparemment avec facilité. Vous savez, moi, ce qui me choque, ce n'est pas l'attaque. Mais comment, dans un pays où on dit qu'il y a les troupes américaines, il y a des forces américaines avec des drones, il y a les troupes françaises avec toute la logistique, comment un groupe armé peut faire des kilomètres avec des individus à moto et des véhicules venir frapper, c'est pas frapper que le problème. Comment peuvent-ils retourner impunément dans leur zone Mais moi j'ai mal. Moi quand j'ai entendu le bilan, j'ai dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Les forces étrangères là, elles ne servent à rien. Si vous ne servez pas à quelque chose, rentrez chez vous. Si vous ne pouvez pas nous aider à lutter contre les terroristes, rentrez chez vous. Vous ne nous servez à rien du tout. On est en train de tuer nos enfants. Vous avez là le matériel nécessaire. Alors auront, ils auront, ils ont, est-ce que vous pensez qu'ils ont intérêt à laisser fuir des, djihadistes qu'ils traquent d'ailleurs au niveau Mais écoutez, on parle de, la lutte contre le terrorisme, on parle de lutte globale. Qu'est-ce que c'est qu'une lutte globale Il faut que les gens le comprennent. C'est quoi Ça veut dire que ça ne concerne pas un seul pays, ça concerne tout le monde. Alors, l'idée selon laquelle non, on n'intervient pas dans les affaires intérieures d'un pays dans le de la lutte contre le terrorisme, ça ne tient pas la route. Quand des terroristes viennent dans un pays, ils attaquent des militaires, c'est comme s'ils attaquent l'Occident, parce que ces gens-là, leurs intentions ne sont pas de s'arrêter au pays comme le Niger, etc. Ils ont déjà diminué les attaques, les attaques du 13 novembre en France. C'est la même, la même dynamique de l'État islamique. Il faut faire attention. Abu, Abu Walid el-Sahraoui a prêté l'agence à l'État islamique. Donc, moi, ce qui me choque, je vous dis ce qui me choque au plus profond de moi, c'est le fait que ces gens-là viennent tuer et tranquillement, tranquillement, ils prennent leur chemin. Apparemment, ça, et, et ceux qui, et qui, et ceux qui m'offusquent, c'est ce communiqué qu'on a l'habitude d'entendre. Des poursuites ont été engagées. Mais quand même, des poursuites. Vous n'y croyez pas Non, c'est pas. Mais comment, depuis toutes les poursuites qui ont été engagées, est-ce qu'elles ont abouti à quelque chose on vous dit chaque fois que des poursuites ont été engagées, on ne revient jamais vous dire que non, les poursuites qui ont été engagées ont permis d'avoir ceci, cela, cela, cela. nous allons revenir à vous le temps de donner la parole à Murtala Mamadou du journal La Griffe. Alors, Murtala, eh, est-ce que vous, vous, êtes vous, partagez l'avis de Garé sur euh, le fait que ces terroristes, ils viennent, ils attaquent, ils retournent euh, paisiblement, si j'ose dire ah Oui, euh, on peut le dire, on peut le dire à la mesure où, euh, à part quelques coups d'éclat de, sur des réactions sur certains groupes qui, qui, sur le, coup des échanges de feu, perdent quelques hommes, quand même le gros des assaillants repartent sains et comme l'a dit Gary, il y a toujours des poursuites qui sont annoncées, mais pour des poursuites qui ne portent peut-être jamais de fruits. et quand peut-être nos éléments de forces de défense et de sécurité qui sont en poste dans cette zone tombent facilement sur les balles ennemies. Je crois que euh, euh faut pas seulement s'arrêter au fait que peut-être éventuellement parce que peut-être on n'est pas dans le secret de l'arsenal de commandement militaire, Éventuellement, peut-être il y a un déficit au niveau de, de, communication des informations euh, dont se disposeraient et ces, différentes euh, forces étrangères qui ont peut-être les moyens que nous nous n'avons pas. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue le fait que euh, on a une certaine manie de prendre à la légère certaines informations. Quoi, par exemple Certaines informations qui font état d'une attaque en, en préparation ou bien le temps que ça fasse le circuit qui est extrêmement lent parfois chez nous euh, et, qu'une qu'aucune riposte soit préparée ou bien euh, euh, le temps que l'information arrive au niveau des hommes qui sont en poste sur le terrain, le mal est déjà fait. Et c'est malheureusement quelque chose qui n'est pas à exclure, connaissant un peu comment fonctionne notre, notre administration de façon générale. Et donc l'armée peut-être ne fait pas exception à cela. de l'autre côté, il ne faut pas aussi exclure la possibilité de quelque complicité sur le plan local au niveau des populations. Euh, parce que euh, quand des poursuites sont engagées par euh, l'armée nigérienne, qui, rappelons-le, n'a pas le droit d'aller au-delà pour poursuivre ces assassins une fois qu'ils auraient franchi la, frontière. Mais dernièrement, il y, avait, il y avait une résolution du G5 qui. Bien évidemment. Qui travaillait sur cette question. on parlé sur cette résolution. pouvoir franchir les frontières. Du G5, ici sur plateau, on était unanime qu'il fallait aller au plus vite, que cette force puisse voir le jour et qu'elle soit opérationnelle au plus vite. Et voilà aujourd'hui euh, que euh, l'histoire nous donne malheureusement raison. Il fallait aller vite. On n'est pas allé vite et on continue à, subir, euh, le tort de cette de ce défaut de mutualisation des forces dans cette partie et qui est malheureusement emploie jusque-là à, à, à, des soubresauts qui se soldent le plus souvent malheureusement par euh, euh, des pertes en Alors, Garé Amadou du journal L'événement, tout à l'heure, vous, vous évoquez euh, cet aspect de la présence militaire étrangère, mais au-delà, est-ce que les pays concernés, leur responsabilité n'est pas, pas en jeu non, vous Il y a le G5 Sahel euh, qui a été mise en place qui doit normalement lutter contre, euh, contre ce genre d'actes oui, terroristes. Le, le, G5 Sahel demande quand même une résolution des Nations Unies parce que c'est la, résolution des Nations Unies qui va permettre d'avoir les moyens, n'est-ce pas, pour euh, en tout cas faire fonctionner ces troupes-là. Mais moi, moi ce qui, qui, le résultat est là. Aujourd'hui, la région de Tilaberi est très vulnérable. Il faut qu'on se le dise. Mais moi, je suis dans un quartier qui est proche de la base militaire des Américains. Je vois les drones décoller chaque matin. Ils vont où parce que c'est des attaques qui se font en plein jour. L'attaque, l'attaque, l'attaque de mercredi. En plein jour. Une attaque. Comment vous m'expliquer ça Les drones, je les vois décoller, atterrir chaque jour. Ils vont où Mais parce que ces gens-là, ils font pas deux kilomètres pour attaquer. Non, ils font plusieurs dizaines de kilomètres à moto. Et ce n'est pas une seule moto. Mais comment est-ce qu'on peut m'expliquer que des gens puissent faire des dizaines de kilomètres en plein jour Venir massacrer des militaires, prendre des otages et repartir tranquillement alors que je vous dis les drones décollent chaque matin, moi je les vois. Donc il faut qu'on m'explique. J'ai dit aujourd'hui, il faut que les troupes étrangères se ressaisissent. Je le dis parce que c'est notre intérêt à tous. Il ne faut pas faire comme si, j'ai comme l'impression qu'ils ont un agenda à part, comme s'ils ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme, mais pour un agenda bien obscur, bien à part. Mais j'ai dit, il faut que les gens se ressaisissent parce que cette région de Tilabéry est vulnérable. Le jour ou cette région de Tilaberi, qui, mais, parce que ah, Abu Walid al-Sahrawi, apparemment, il n'a qu'un terrain de prédilection. C'est Bani Bangou, Koutekale, Walam. Donc, on connaît déjà. Et quelqu'un qui a l'habitude de faire des attaques la nuit et qui fait du gandang en plein jour. Dans l'immédiat, dans l'immédiat, Garé, qu'est-ce que les, les, États doivent faire Non, d'abord, il faut faire une réunion des États-majors entre le chef d'État-major nigérien et les responsables des troupes étrangères ici sur le sol nigérien. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on parle. Parce que ça suffit. Les gens en ont marre de voir leurs frères et euh, euh, euh, leurs parents mourir. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il faut faire Vous allez continuer à, à, à, nous regarder, à laisser les terroristes nous tuer sans rien faire Ou qu'est-ce que vous allez faire Murtala Mamadou, qu'est-ce qu'il faut faire de l'immédiat pour, prévenir ces genres Il n'y a pas mille solutions. Il n'y a pas mille solutions. Il faudrait que euh, nous disions d'abord au niveau du Niger, que c'est d'abord notre territoire. Et s'il y a ces victimes, ce sont quand même nos citoyens qui, tombent sur les, les coups de ces différentes attaques. Il faut que nous prenions nos responsabilités nous-mêmes, euh, non pas en, s'arc-boutant sur une éventuelle aide, mais en, en, puissant sur nos propres moyens, en s'appuyant sur nos propres euh, forces. Donc c'est cela qui va peut-être être la solution en renforçant le renforcement, le, le renseignement, les renseignements, parce que c'est cela qui va permettre d'éviter, de, prévenir. Hein. mais ces renseignements, euh, il faut aussi qu'on aille vérifier sur le terrain et cette sorte de complicité ou de silence de la population qui est mue par une force, une, euh, disons, une crainte, une certaine peur de, des représailles, mais aussi par la pauvreté et qui pousse certains, certains surtout la jeunesse, à collaborer quelque peu avec ces différents mouvements. Rapidement, Gary. Ce que quand on ce que Mortel a dit, c'est comme s'il dit que bon, on n'a pas besoin d'associer les forces étrangères. C'est comme s'il dit qu'elles sont pas. Bon, c'est comme s'il dit qu'on n'a pas, on doit compter sur nos propres forces. Mais à partir du moment où ils sont sur le sol national, c'est pour quelque chose. Et apparemment pour notre intérêt. Donc si elles sont là, eh bien, on doit chercher à, à ce qu'elles nous soient utiles. Si elles ne sont pas utiles, bon, qu'elles s'en aillent. 18h passées de 29 minutes, le forum du studio Kalangou se poursuit. Sur un tout autre plan, le domaine de l'éducation paralysé, les syndicats des enseignants et le ministère de l'Éducation restent divisés sur la question de l'évaluation des enseignants. Pour le ministère, cette démarche vise à détecter les lacunes des uns et des autres afin de pouvoir y remédier à travers l'organisation de formation pour ces derniers. Cette démarche a été rejetée par la synergie d'action Cause Niger et SINASEB qui indique qu'il y a des incohérences sur la forme de la circulaire du ministre car selon elle, l'évaluation d'un agent de l'État ne nécessite pas la constitution d'un dossier comprenant un certificat de nationalité et une copie de diplôme comme s'il s'agissait d'un test de recrutement. La synergie a également ajouté que l'article 94 du statut général de la fonction publique de l'État stipule que le fonctionnaire en activité ou en détachement, quel que soit son poste d'affectation, est évalué annuellement par son supérieur hiérarchique immédiat qui exerce le pouvoir d'évaluation sur la base d'un cahier de charges préalablement établi. Alors, Garé Amadou du journal L'événement, la guerre entre euh, les syndicats des enseignants et le ministère euh, de l'Éducation est-elle justifiable euh, Je pense qu'il y a une incompréhension entre les deux parties. chacun doit regarder quand même, se regarder dans un miroir et voir ce qui peut être utile pour l'école nigérienne. Pour ce qui est de l'évaluation, moi, moi je parle du principe que les enseignants, dans leur grande majorité, n'ont pas le niveau. C'est même dit, les, syndicats de contractuels eux-mêmes le, reconnaissent. Dans un premier temps, ils disent que bon, on va faire une évaluation pour voir ce qui nécessitent à ce qu'on puisse renforcer leur capacité. Mais en cela, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Mais peut-être que c'est la méthode de faire sur laquelle ils ne s'entendent pas. Pour moi, a priori, puisque le ministère l'a bien expliqué, il ne s'agit pas d'abord de chasser des enseignants, même s'il y a une intoxication qui est en train de circuler pour faire croire à ces enseignants, pour pouvoir les mobiliser, qu'on veut chasser des enseignants, ce qui n'est pas le cas. Il ne s'agit pas en pleine année scolaire d'amener des enseignants à l'école normale pour les former. Non, ce n'est pas ça. Le ministère l'a bien expliqué. Les chefs d'établissement vont se charger d'organiser des CAPED des séances de formation. Alors qu'avant, les capelles se donnaient dans, des centres où on regroupait plusieurs enseignants de plusieurs écoles. Maintenant, chaque docteur d'école va organiser des capelles. Ensuite, pendant les vacances, ceux qui nécessitent encore un renforcement de capacité, ils vont peut-être aller à l'école normale pour faire, je ne sais pas, 30 jours, 40 jours, n'est-ce pas, euh, pour, pour pouvoir se former. Mais ils ont catégoriquement dit qu'il n'est pas question de chasser un enseignant. Non. Ce n'est pas le cas. Mais il y a une intoxication qui a il, dénonce la, constitution des dossiers qu'ils qui ne comprennent pas. Je, je, suis d'accord avec eux. Est-ce qu'il n'y a pas un autre objectif pourquoi Je dis, Non, c'est pourquoi je dis que dans la démarche, eh, je pense qu'il y a des choses à corriger pour que euh, ça puisse être accepté par le syndicat de contractuels. La, confection de dossiers, mais qu'est-ce qui fait peur à ces, à, ces, syndicats de contractuels A priori, dans la confection de dossiers, eh, c'est, n'est pas quelque chose de compliqué. Peut-être que il y a même peut-être des syndicalistes qui, ont des diplômes qui ne sont pas vrais, peut-être. Et donc, il y a l'esprit de solidarité. Et vous n'oubliez pas, n'oubliez pas qu'il y a cette question de cotisation syndicale qui va être réglementée. Et il y a plus de 60 syndicats de contractuels. Pourquoi plus de 60 syndicats de contractuels Parce que la cotisation syndicale, c'est l'argent facile. Et des syndicalistes qui viennent passer pratiquement 9 mois sur moi, 9, à Niamey, sous des hangars en train de prendre du thé, n'est-ce pas, sous prétexte que ce sont des syndicalistes, j'ai dit, il faut qu'on mette de l'ordre dedans. Moi, je l'ai déjà dit. Je ne suis pas d'accord que sous le prétexte du syndicalisme, qu'on dise qu'on n'enseigne pas. Non, vous êtes syndicaliste, mais vous pouvez vous devez partir dans une école enseignée en même temps que vous êtes syndicaliste. C'est trop facile. Et c'est ce qui fait la prolifération des syndicats. 70 syndicats, sinon plus, dans un pays pauvre comme ça. Motala Mamadou du journal La Griffe. Alors, cette, euh, ce malentendu ou cette guéguerre entre le syndicat de l'enseignement et le ministère D'accord. Euh, d'abord, euh, je crois que le, les mots de l'école, le problème de l'école, c'est lequel c'est plongé notre euh, système éducatif mérite à ce que je crois que tous les acteurs mettent un peu d'eau dans leur vin. Euh, le, problème, de mon point de vue, il est très facile à, résoudre. Il faut que chacun se dise qu'il euh, ne faut pas d'abord que je pense à moi, il faut que je pense à l'avenir de ces enfants que nous avons la responsabilité d'éduquer. Alors, euh, d'une part, le ministère qui, voudrait organiser un système d'évaluation avec un système d'accompagnement, de renforcement des capacités, tout ça c'est bien beau, c'est bien, J'aimerais bien que cela puisse réussir, mais dans le camp d'en face, on est quelque peu frileux, voire réticent à cette évaluation. Pourquoi Parce que peut-être ça va mettre à nu, ça va mettre à nu les, faiblesses des uns et des autres, ça va mettre à nu euh, euh, cette, euh, ce problème qui, qui est aujourd'hui en train de porter atteinte à, la qualité de la formation dans notre pays et que certains syndicats, surtout, je dis, c'est pas tous les enseignants malheureusement, il s'agit des groupes syndiqués, des, différents acteurs des syndicats qui sont quelque peu récalcitrants vis-à-vis de, cette euh, évaluation. c'est c'est de bonne guerre parce que ils sont juste dans une optique de pouvoir sauver la face vis-à-vis de leurs militants, leur montrer qu'ils sont en train de, les défendre et, essayer de, les embarquer dans un problème qui n'en est pas. Il n'y a véritablement pas de problème. Quand on dit que euh, la composition du dossier, oui, peut-être ça pose problème. Ça peut poser des, problèmes, mais de mon point de vue personnellement, hein, je ne parle pas sur l'aspect légal ou quelque chose comme cela. Si j'ai produit des pièces sur la base desquelles j'ai été recruté, une fois qu'on me demande, mon employeur me demande de, lui produire à nouveau ces pièces, je ne vois aucun problème si tant que j'ai est -ce Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de, découvrir à nouveau d'autres euh, détenteurs de faux diplômes Bien évidemment. Euh, peut-être derrière euh, cette, histoire de construction de dossiers à nouveau, il y a peut-être la volonté cachée qui n'est pas clairement expressément dite de la part du ministère en charge des enseignements, de, des différents ministères, hein, parce que du ministère en charge des enseignements primaires, excusez-moi plutôt, de pouvoir euh, faire d'une pierre deux coups. En même temps, évaluer les enseignants pour identifier les, leurs lacunes et essayer de les renforcer, mais aussi profiter pour pouvoir euh, faire sortir du système éducatif des gens qui n'ont pas qualité pour y être. Alors, Agare Amadou, euh, cette formation qui, qui, est, envisagée, qui sera envisagée donc après, après l'évaluation, est-ce que comment Comment est-ce que euh, vous analysez cela Est-elle euh, réaliste quand on sait qu'on a environ 12 000, 112 000 enseignants contractuels oui, mais je, pense que le ministère a déjà étudié la, façon avec laquelle il va mener ces, séances de formation-là. Je pense que des études ont été menées et déjà des, procédures ont été déjà, déjà envisagées. Je pense que ça, ce n'est pas un problème. Pour moi, qu'il s'agit de renforcer la capacité de n'importe quel fonctionnaire, moi, je pense que c'est une bonne chose. Je parle de ce principe-là. Donc, à partir du moment où des enseignants dont, euh, euh certains la carence est, patente, parce qu'un enseignant qui ne peut pas faire une phrase sujet, verbe, complément, un enseignant qui fait des fautes de genre par rapport à des choses, c'est extrêmement dégoûtant. Et j'ai dit, je plains ces enfants-là qui sont en train de formés. Parce qu'on le voit aujourd'hui à l'université de Niamey, n'est-ce pas Vous avez au sein des structures syndicales de l'université de Niamey des membres du bureau qui ne peuvent pas faire une phrase sans faire de faute. Donc la qui sont le fruit. La faute. Oui. J'ai dit la faute, c'est à l'État, parce que c'est l'État qui a mis la contractualisation. Et quand je dis l'État, c'est la continuité. Donc même ce régime-là endosse cette responsabilité-là. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire Parce qu'ils disent non, euh, il y a des faux diplômes partout. Soit. Mais Marthe n'est pas le premier ministre du Niger il est le ministre de l'Éducation nationale. Chacun s'occupe de son secteur. Je suis d'accord sur le principe que, bon, on peut dire au Premier ministre, écoutez, on va vérifier tous les diplômes au niveau de tout, de, Chaque ministère sera chargé de vérifier les diplômes au niveau de son département ministériel. Mais Marty, est-ce qu'il a besoin de ce. Il, doit faire son travail. Chacun fait son travail au niveau de son département. Donc, j'ai dit que les deux groupes, enfin, les deux parties puissent se retrouver autour d'une table pour essayer d'apprendre les divergences. Par essence, par principe, renforcer les capacités de ceux qui sont euh, en tout cas, un peu, je ne dis pas carrément, mais ce qui nécessite un renforcement ou un avis de savoir, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, nous allons avancer. Autre, malentendu cette fois-ci concernant les arriérés de salaire des agents des collectivités territoriales. Le ministre des Finances, Assumi Massaoudou, a affirmé il y a quelques jours au cours d'une conférence de presse que l'État, euh, l'État le trésor public n'a rien à voir avec la question des arriérés de salaire des agents des collectivités territoriales. Il ajoute, je cite, la mairie est une entité, une collectivité territoriale qui est de droit privé. Nous n'avons rien à voir avec elle. Si le maire ne paie pas ses salariés, c'est à lui. Il n'a rien du tout au trésor. Chaque fois qu'ils ont de l'argent au trésor, ils l'ont pris. Fin de citation. Le 20 février, le syndicat des agents des collectivités territoriales de Niamey a réagi à cette affirmation du ministre des Finances. Ces derniers ne comprennent pas que l'État rejette toute la responsabilité sur le maire. Le maire qui a toujours indiqué la question ne relève pas de ses compétences. Alors, Murtala Mamadou du journal La Griffe, qui croire qui est responsable de l'accumulation des, arrêts des, agents de la mairie Le ministère des Finances ou le maire central de la ville de Niamey Bien, euh, si je parle, je parle du postulat selon lequel le ministre, l'affirmation du ministre des Finances euh, au cours de, ce dernier, de cette dernière conférence de presse tenue le samedi dernier, si je parle de ce postulat, je dis la responsabilité incombe aux autorités de la ville de Niamey. Mais il faut toujours, parce qu'il y a toujours, il faut prendre cette affirmation avec aussi euh, toutes les précautions requises. Pourquoi euh, Oui, euh, on n'a pas la, posture, la position du, du président du, conseil de ville de Niamey. Qui ne parle pas. Qui ne parle pas. C'est un monsieur qui est toujours plongé dans son mutisme. Même au plus fort de cette crise, c'est un monsieur qui est resté dans le silence le plus total. Donc aujourd'hui, euh, euh, chacun peut se faire son opinion, mais si véritablement le ministre dit vrai, alors là, il faut chercher la responsabilité du côté du, conseil, du président du conseil de Villeneuve, qui aujourd'hui, rappelons-le peut-être, euh, au cours d'une rencontre, quand cette crise-là avait atteint un certain paroxysme, au cours d'une rencontre avec le chef du gouvernement, avait affirmé qu'il avait les priorités dans le secteur de l'investissement, ce qui ne lui permettait pas de payer les salaires des agents dans les différents Il mettait l'accent sur les investissements. Donc, euh, quelque part, lui-même a reconnu que si les salaires des, agents de la ville d'Inamé ne sont pas payés, c'est parce qu'il a il fait le choix, de prioriser et, euh, un pan des dépenses publiques plutôt que de, régler cette question. Garé Amadou. Euh, L'argument des investissements, je ne vois pas à quoi ça sert. La ville, la ville de Niamey est une ville extrêmement sale. À quoi ça sert les investissements S'il faut accumuler le salaire des gens. Et vous savez, ce que le ministre a dit, le ministre a dit non, les derniers sous de la communauté urbaine qui était au niveau du trésor, 200 millions, il a donné des instructions pour que ça soit débloqué. Et j'ai suivi l'interview d'un des membres du syndicat des, des agents de municipalité. Il dit ils ont vérifié parce qu'effectivement, les 200 millions ont été donnés au président du Conseil. Il n'a pas, pas, pu payer, les salaires. Il y a un problème. suffit pas pour. Et le ministre a dit quelque chose d'important. Il dit non, mais il dit il paye ses fournisseurs, ce monsieur. C'est ce que vous ne savez pas. Il paye ses fournisseurs. Et ça a créé une, sorte, au sein de la salle, parce que j'étais au moment du point de presse, il dans la salle. Ça a créé un fou rire au niveau des, journalistes. il dit il paye ses fournisseurs. Donc, qu'il ne, se cache pas sur le fait qu'il n'a pas de l'argent. Il y a un problème. Ce monsieur-là, concernant même euh, les coups de fil, c'est monsieur que j'ai tenté d'appeler plus de mille fois, il ne prend jamais les appels de la presse, il ne prend jamais les appels de n'importe qui même. comment vous comprenez son silence Il ne réagit non, pas, ce Monsieur, euh, ce... monsieur, il, est, incapable de gérer la communauté urbaine de Niamey. Vraiment, il est incapable. Parce que quelqu'un qui se soucie plutôt de ses fournisseurs que des agents qui sont sous sa coupe, mais qu'est-ce qu'on doit faire de ce monsieur Et c'est qui m'offusque c'est que lors de la la dernière session du Conseil euh, euh, euh, de la communauté urbaine de Niamey, la dernière session, ce sont les partis politiques de la majorité qui sont coalisés pour le sauver. Mais comment peut-on sauver quelqu'un qui ne peut pas gérer une communauté Oui, avait la motion de défiance. La motion de défiance qui était en passe. Mais, mais, mais les partis au pouvoir ont sauvé ce monsieur-là. Ce monsieur dont l'incapacité est notoire. Mais il le dit lui-même, il dit non, il dit, je ne peux pas régler ce problème-là. Ici, vous pouvez régler, mais allez-y, ah, mais, débarrassez-vous de ce monsieur-là. Moi, je pense que ce que le, ministre des Finances a dit, ça veut dire que le président du conseil de ville de Niamey est sur la corde raide. Moi, je ne donne pas cher de sa peau, c'est-à-dire que c'est juste un comptés hein, au niveau de la communauté urbaine de Niamey. C'est clair ce qu'il dit. Parce que s'il dit non, non, non, on sent bien qu'il y a une rupture entre le président du conseil et les autorités de la 7 République. Que faire, que faire à votre avis pour régler Non, il faut l'évacuer. Il y a un problème, il y a un monsieur qui est là, qui ne régler. Est-ce que son départ peut, mettre fin à cette, question de Il y a un monsieur qui est là qui préfère régler les commerçants qui ont des, qui ont des marchés avec la communauté urbaine plutôt que de payer ses, agents, qui sont en train de, de, végéter dans une misère crasse. 8 mois pratiquement d'arrêt de, salaire. est-ce que le départ de Hassan Seydou, président du conseil de ville de Niamey, peut être la solution de de cette question d'arriérés Bien, euh, ça peut peut-être être un début de solution, mais pas de la solution parce que euh, il peut partir, mais les arriérés sont là. Euh, sur cette question de paiement des de, fournisseurs, je crois qu'il faut essayer d'aller essayer de voir ça sous l'angle de, de, cette pratique corruptive qui se fait malheureusement, euh, qui, consiste à reverser des commissions aux différents aux ordinateurs de, certains marchés publics, mais aussi aux administrateurs qui s'occupent de, de faire sortir ces cet argent. Donc aujourd'hui, les agents, les mêmes agents qui se plaignent de ne pas avoir leur salaire payé, je crois euh, une masse salariale qui tourne autour de 300 millions, ce sont ces mêmes agents qui font des pieds et des mains pour que certains fournisseurs soient payés parce qu'ils ont quelques petites commissions par la suite. Donc euh, euh, oui, il y a un début de solution avec son départ et l'arrivée d'un autre, mais pas la solution de Alors, je voulais juste notifier que nous avons appris que le mois de janvier a été payé, en tout cas dans certaines banques. Mais quand vous payez un mois à des gens qui, qui, qui, qui, qui ont un arrière de 7 mois, vous voyez ce que ça fait euh, De mon point de vue, les, ces, travailleurs euh, sont dans une situation où euh, avoir une petite somme ne résout pas le problème. J'ai l'expérience de, de, côtoyer, par exemple, j'ai côtoyé un d'entre eux. Le jour où l'annonce a été faite, ce monsieur ne pouvait pas rentrer chez lui parce que tous ses créanciers l'attendaient. Alors, mais quand même, un bon signal. Euh, euh, bon signal, le euh, bon signal, c'était de payer peut-être deux, trois mois. C'était ça le bon signal. Mais Garé Amadou. Oui, mais attendez, mais une goutte d'eau dans un océan, ça fait quoi Ça fait pas une vague Un mois sur huit, sur, mois. Mais vous pensez, des gens qui sont endettés déjà jusqu'au cou, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont payer les boutiquiers chez qui ils prennent du crédit ils vont, ils vont faire quoi Ils vont acheter de la nourriture ou comment Qu'est-ce qu'ils vont faire avec un mois Non, soyez sérieux. Moi, je l'avais déjà dit, ils ont demandé, pardon, trois mois. Nous voulons trois mois. Moi, je pense que la réponse du Premier ministre a été ça m'a désolé, ça m'a complètement attristé là, quand il dit que non, euh, pour le moment, il ne peut pas payer trois mois de ça, Trois mois de ça. des années de la communauté urbaine, on peut pas, un État ne peut pas le payer. Mais quand l'État, l'État n'est pas responsable, comme l'a dit. Non, mais non, écoutez, à un certain moment, à un certain moment, quand les collectivités sont face à une situation de, de, de, de, crise, il faut que l'État, l'État s'implique. C'est-à-dire que quand les recettes ou quand, si vous ne pouvez pas enlever celui qui est considéré comme la base de tous les problèmes de la communauté urbaine de Niamey, vous devez trouver des solutions pour le permettre de gérer. N'est-ce pas C'est-à-dire que vous devez lui donner de l'argent, assez d'argent pour payer les salaires, si vous pouvez le maintenir à sa place. Si vous ne pouvez pas faire cela, vous ne pouvez pas vous, retrancher sur le fait que non, on, verse tout ce qui appartient à la communauté urbaine de Niamey, mais lui, il paye les fournisseurs. J'ai dit ça, c'est pas une excuse. Et j'ai dit, son départ est plus que déterminant dans le cadre de la poursuite des activités de la communauté urbaine de Niamey et surtout pour pouvoir, euh, et, et, en tout cas, euh, vraiment mettre le travail de la communauté de Niamey dans des conditions de vie décentes. Alors, je vous propose qu'on aborde à présent le forum, le forum Sahel Innove, qui est initié par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, SIPMEN. Ce forum de trois jours a permis donc aux innovateurs de faire l'étalage de leurs connaissances euh, et de leurs recherches. Il y en avait des innovateurs dans divers domaines, que ce soit dans les domaines de l'élevage, de l'agroalimentaire, de l'environnement, de la technologie pour ne citer que cela. Alors, le euh, Murtala Mamadou, le Niger euh, est-il un pays où l'innovation a de fortes chances euh, de croître oui, ça peut croître, mais il faudrait peut-être que les accompagnements, euh, l'accès au financement de ces projets puissent suivre, parce qu'une chose est d'avoir une idée, de pouvoir mettre en place un prototype, euh, une autre en est de pouvoir euh, développer et produire de façon à être compétitif sur le marché. Parce que si vous avez un prototype, vous restez à la phase de prototype, ça ne peut pas être exploité. Maintenant, Sahel Innov, c'était très bien, j'ai fait un tour, j'ai vraiment aimé le fait de voir euh, exposer tous ses talents. Euh, ça, a été une vitrine et cette vitrine, j'espère peut-être qu'elle sera, euh, qu'elle a été l'occasion pour les différents financier potentiel pour qu'ils puissent, euh, pouvoir soutenir euh, financièrement ces, jeunes qui ont quand même des idées qui sont assez importantes, euh, surtout sur le plan agricole avec la transformation sur toute la filière qui concerne l'agriculture de façon générale. C'est une filière dans, laquelle on a un, avantage comparatif et si on s'y met, on, pouvait, on, on peut faire beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que le Niger, on peut dire que le Niger peut miser justement sur l'innovation pour se développer euh, Oui, le Niger n'a que le choix de l'innovation pour pouvoir se développer. Les traditionnels, on l'a vu, l'exportation de façon euh, de, production et autres euh, de façon brute, on l'a expérimenté pendant, toutes ces décennies. On a vu là où ça nous a mené. Il n'y a que le choix de la transformation. Cette transformation passe par les méthodes innovantes dont certaines commencent déjà à germer et à se mettre en place. Garé Amadou, le Niger est un pays qui doit miser sur la sur l'innovation. Oui, en tout cas, je crois qu'il y, a des, il y a des talents qu'on doit soutenir. Je pense que j'ai suivi le discours du président qui dit qu'il va accompagner, en tout cas, il, euh, ça, à son plein soutien. Mais je pense que, comme l'a dit Murtala, il ne s'agit pas seulement de, de, de, parler comme ça à l'air, euh, de faire des belles phrases. Non, il s'agit d'accompagner des gens qui ont des idées. Parce que moi, j'ai vu une, une, invention merveilleuse qui a été primée sur le plan international, une invention nigérienne, la télé-irrigation n'est-ce pas Ça, c'est une invention qui a été primée partout, à Casablanca, partout dans le monde. Donc ça, c'est des trucs comme ça qu'il faut soutenir. Et puis j'ai vu l'exposition, l'exposé de, de, la présidente, enfin la, la coordinatrice du projet de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, le PPAO, qui explique la transformation de certains produits agricoles, n'est-ce pas, pour leur permettre d'être plus commercialisables. Je pense que dans un pays où la majorité de la population pratique l'agriculture, la transformation des produits, ça sera vraiment euh, l'idéal pour euh, assurer l'autosuffisance alimentaire de la population. Je pense que l'innovation, c'est ça que l'Afrique cherche et il faut qu'on puisse montrer que nous aussi, nous savons inventer des choses qui peuvent être utiles, non pas pour l'Afrique seulement, mais qui peuvent être utilisées même à l'extérieur de l'Afrique, sur les autres continents. Alors, quels peuvent être les obstacles qu'il faut à éviter pour ne pas perdre cet élan dans euh, la floraison de l'innovation Vous savez, celui, qui, a l'idée lumineuse, n'est-ce pas, euh, de, créer quelque chose, il a déjà fait beaucoup. Mais alors, comme l'a dit Murtala, il ne s'agit pas de le laisser avec cette invention-là au stade de prototype. D'abord, vous créez, quelque chose, on vous facilite le mécanisme pour pouvoir le breveter, n'est-ce pas Si vous le brevetez, maintenant l'État vous facilite aussi le financement au niveau des institutions financières pour qu'on puisse vous donner de l'argent, pour que vous puissiez dupliquer votre invention et la rendre plus accessible à la population. Sinon, si c'est pour juste faire euh, une invention et la mettre dans une vitrine, ça ne sert pratiquement à rien du tout. Ça sert tout juste au cours des salons à montrer et puis bon, après on remballe tout, on est jusqu'à la prochaine édition, ça ne sert à rien du tout. Mortala Mahamadou du journal La Griffe, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'élan de ces jeunes innovateurs ne, soit pas à vain Bien, euh, pour ce qui est du brevetage, je crois que c'est devenu, ça a été simplifié avec l'Agence euh, nationale pour la promotion, propriété intellectuelle, la promotion de l'innovation. Euh, ça, c'est une phase qui doit poser des problèmes. Mais ce qui crée, freine l'élan, c'est de tout temps ici chez nous, malheureusement, ça a été le passage de, l'invention au niveau du prototype vers l'aspect, la duplication vers l'entreprise porteuse de, de, cette idée. Alors, beaucoup de ces jeunes, beaucoup des innovateurs chez nous veulent être porteurs de leur idée et pouvoir la commercialiser pour la rentabiliser, mais ils n'ont pas euh, la capacité financière, de lever financière pour pouvoir euh, mettre le projet en œuvre. il se trouve que nous avons un secteur financier qui est quand même assez austère, très renfermé. Euh, malheureusement, euh, cela n'est pas du tout encourageant. Il faut qu'il y ait euh, une facilité dans l'accès au financement, du financement, surtout pour les idées. Il y a, quand même, des centres, notamment le CIPMEN, le centre d'incubateur. Le CIPMEN, oui, qui facilite le fonctionnement, qui héberge l'entreprise pendant un certain temps, mais qui ne peut pas financer peut-être la, production à l'échelle du de, de, drone je veux, de drone qui, qui, fait des, prises aériennes dans les champs, il ne peut pas financer cela. Le CIPMEN, oui. Il y a le CIAM pour le, de l'université. Donc, vous voyez, euh, il faut que, je crois, c'est surtout les établissements financiers et aussi les, hommes d'affaires, les opérateurs économiques qui ont des centaines de millions déposés dans des comptes bancaires qui ne servent à rien. Et cet accès au financement, mais aussi, surtout, euh, qu'on évite aussi cette sorte de, mimique qui, malheureusement, mine notre économie. Un tel monte d'entreprise entreprise dans tel secteur et tout le monde va se et puis, toutes les entreprises vont faire faillite dans les mois ou les années qui suivent. Alors, Disport avant de clore ce forum, dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF, dimanche dernier en match retour, la Douane était en déplacement au Maroc pour jouer contre Itihad de Tanger. Elle a perdu un but à zéro. À l'aller, c'est Itihad du Maroc qui a gagné le score, sur le score de deux buts à un. La Fan, quant à elle, a réussi un match retour la Tanda de la Côte d'Ivoire ici à Niamey samedi passé. La Fan a remporté la partie sur le score de 3 buts à 1 seulement. Cette victoire ne lui a pas suffi pour se qualifier car euh, au match aller, c'est elle qui a perdu sur le score de 3 buts à 0. Alors, Garé Amadou, quelle appréciation faites-vous de, la qualité de la prestation de nos clubs euh, oui, nigériens euh, Vous savez, le football nigérien est le football qui a une particularité que les autres footballs n'ont pas ce sont les équipes nigériennes qui sont les seules à ne pas pouvoir marquer à l'extérieur. C'est un problème ça. Ils ne peuvent pas marquer à l'extérieur. Et tant que vous n'avez pas la capacité de marquer à l'extérieur, mais vous vous mettez dans des situations inconfortables où quand celui qui vient... C'est à la maison seulement, vous pensez Mais c'est à la maison que vous allez gagner les matchs. Alors qu'on dit que le but, le but marqué à l'extérieur coûte cher. Il compte double même parfois. Mais comment voulez-vous faire une équipe, des équipes compétitives qui partent à l'extérieur faire des matchs nuls et qui viennent concéder eh ben, des buts ici non, c'est lamentable, c'est pitoyable. Le football nigérien me fait pitié. Parce ah. que je dis, tant qu'on ne change pas, tant qu'on n'inverse pas la tendance, tant que les équipes nationales ne partent pas à l'extérieur marquer des buts, je vous assure qu'on va toujours être les derniers. Comment faire pour aller à l'extérieur et marquer des buts Mais comment font les autres pays pour pouvoir. Moi, quand je vois le football malien, le football burkinabé, mais on dirait qu'on n'est pas sur la même planète. Les équipes nigériennes ne peuvent pas faire 5 eh. passes sur le terrain sans que quelqu'un intercepte la balle. Quand je vois les Burkinabés du jeu flûte, mais il faut qu'on parte. Comment faites-vous Il y a un problème au niveau, au niveau national. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense qu'il a le football nigérien a encore du chemin à <laughs> faire. Murtala Mohamedou, euh, est-ce que c'est votre avis euh, C'est une particularité qu'il faut revoir avec lui, mais d'emblée sur la question que vous nous posez, comment ils font Moi, je vais vous dire comment ils font. Ils travaillent. Ils travaillent dur et malheureusement, chez nous, euh, ce n'est pas ce qui se passe. Oh, si vous n'êtes pas capable d'avoir de, une attaque, euh, des attaques qui sont euh, qui, produisent, qui marquent beaucoup de buts, il faut être solide derrière. Et malheureusement, euh, c'est aussi là où nous, pêchons le plus. Ok. je crois que le véritable problème, c'est surtout un truc, un problème de fond sur la qualité de la formation d'abord. Hein. ce que vous voyez, vous voyez des on a eu beaucoup d'espoir avec la création des écoles, les centres de formation euh, il y a quelques années en arrière, mais qui aujourd'hui, je crois, euh, pour beaucoup ont mis la clé sous la porte parce que euh, ne pouvaient plus, ne pouvons plus supporter les frais de fonctionnement et de tout ce qui va avec. Mais euh, je crois que c'est surtout en mettant l'accent sur cette formation que nous allons pouvoir euh, lever une certaine pépinière qui euh, va venir renforcer ces, équipes. Vous ne pouvez pas avoir des équipes compétitives dans un championnat alors que euh, la formation, les, joueurs que vous avez, c'est des gens que vous, ramassez au fil du machin, qui n'ont pas cette, fibre professionnelle du football parce que si vous suivez les matchs de nos différentes équipes, on produit, on contrôle une partie du match, on n'arrive pas à marquer et puis quelques temps après, on relâche. C'est, je crois, cette professionnalisation euh, qui permettra de pouvoir euh, euh, d'abord donner la conscience aux joueurs qu'ils sont en train de faire un travail et ce travail, et ils doivent le faire ben, pendant toute la durée du match et non pas pendant un temps parce que quelque part, il faut aussi le dire, nos joueurs ne sont pas assez motivés parce que c'est du bénévolat pour la plupart d'entre eux. Gary est-ce que vous pensez euh, que le, les compétitions au niveau national, euh, l'entraînement doit de manière quotidienne non, il faut, non, il faut, faut être l'une des solutions. il faut, il faut comprendre le football au sérieux. Le football, c'est pas de la blague. Je vous dis, aujourd'hui, si vous faites, euh, si vous allez dans le championnat français, vous essayez de voir les pays du Sahel qui ont des joueurs dans le championnat. Le Niger, vous allez voir un seul joueur peut-être. Le Mali, vous allez voir une vingtaine, une trentaine de joueurs. Le Burkina, une, quarantaine de joueurs. Le Sénégal, on n'en parle même pas. Mais le Niger, vous allez voir un seul joueur. Parce que ça veut dire quoi Il y a un problème. Ça veut dire que notre, football est misérable. Comment résoudre ce problème Non, comment résoudre ce problème C'est-à-dire que, regardez, une équipe nationale, comme le Mena qui fait un match, on vous dit prime de match. Pour une équipe de l'équipe nationale, 500 000 francs. Prime de match. Ça, et, ça, c'est les primes de match. Ça veut dire que quand le championnat, quand, quand, quand la compétition finit, ce sont des gens qui sont laissés à eux-mêmes, qui sont parfois en train de déambuler de la rue, aller chez le chaïman, prendre de, de, le, haricot, etc. Qui ne pas bien. Bref, il faut motiver, vous non, il faut, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne la chose au sérieux. Le football, là, c'est une industrie. Et c'est le drapeau nigérien. Il faut que l'on prenne ça au sérieux. Il ne faut pas blaguer avec les équipes, les, les, les joueurs. Il faut faire en sorte que les joueurs nigériens sont aussi citer un exemple, comme les autres pays le font. Murtala, il faut motiver les joueurs. Oui, il faut les motiver parce que vous ne pouvez pas demander à un joueur de me donner tout sur le terrain ou bien d'être régulier à des entraînements quotidiens alors qu'il euh, a d'autres soucis en tête. Euh, beaucoup d'entre eux pensent à, comment pouvoir assurer euh, le, le déjeuner de midi et quand c'est des entraînements de la soirée, certains pensent à où est-ce qu'ils vont aller pour pouvoir dîner. Et vous voyez, c'est psychologique. Et dans ces conditions, on ne peut pas demander à ces joueurs fût-il talentueux, de, de, produire un, quelconque résultat. Mm. Cette professionnalisation, il la faut si tant qu'on veut des résultats. Sinon, on peut rester dans notre médiocrité et évoluer avec. 18h passées de 58 minutes. Nous sommes au, terme du forum de ce soir. Nous étions avec Gary Amadou, journaliste au journal L'événement. Et Murtala Mamadou, journaliste au niveau du journal La Griffe. Merci à tous euh, d'être euh, avec d'avoir suivi ce forum. Rendez-vous demain.